le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Auditeurs et auditrices du studio Kalangou, il est 18h passé de 15 minutes. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou votre émission quotidienne qui apporte des réponses aux préoccupations des auditeurs sur les questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. À la présentation, fils Adam Sirfo. Si vous nous écoutez en ce moment, c'est grâce au réseau des 31 radios partenaires basés dans tous les chefs-lieux de région et dans une vingtaine de départements du Niger. Ce soir, nous débattrons autour de la question de feux de brousse et incendies, comment et pourquoi les éviter Qu'est-ce que le feu de brousse Quelle différence entre un feu de brousse et un incendie en ville Quelles sont les origines connues de ces deux phénomènes Quelles sont les conséquences désastreuses des feux de brousse ou des incendies Que faire pour prévenir ou maîtriser ces feux quels sont les devoirs et responsabilités de chacun dans de tels cas C'est à ces questions et à bien d'autres que nous tenterons de répondre à ce soir. Nos invités dans ce studio, colonel Duki Akaka, directeur de la protection de la nature et de l'équipement à la direction générale des eaux et forêts. Bonsoir colonel. Nous recevons également Monsieur Gordi Mahamadou, secrétaire général de la Fédération des éleveurs du Niger et membre de la cellule technique de la plateforme paysanne. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et le lieutenant Nejim Cheibou, commandant de la 83e compagnie d'incendie et de secours de Lazare. Bonsoir à vous. Bonsoir. Chers invités, merci une fois de plus d'être venus. Avant de rentrer dans le vif euh, du sujet, veuillez nous faire euh, une brève présentation des structures que vous représentez ou vos différentes fonctions. Je commence euh, par vous, colonel Dukia. merci. je suis de la Direction générale des eaux et forêts. À ce titre, je suis le directeur de la protection de la nature et de l'équipement. Et quand on dit nature, donc tout ce qui concerne l'espace non exploité par l'homme, en fait, fait partie. Donc, euh, c'est cette direction qui a en charge la préservation des écosystèmes forestiers sur toute l'étendue du territoire national. À ce titre, les feux de bourse, comme c'est une menace à la sécurité des écosystèmes, que ce soit terrestre, ou même des personnes et des biens. Donc nous avons en charge en fait la protection des personnes et des biens contre les feux de brousse. Merci à vous. Euh, le lieutenant Nedjim euh, Oui, je suis euh, le commandant de la 83e compagnie d'incendie et de secours de Lazare. Donc je représente actuellement le commandant du 8e groupement régional d'incendie et de secours de mhm. Niamey. Et donc nous, aux sapeurs-pompiers, nous intervenons dans euh, divers secteurs, euh, euh, dont entre autres les feux, les feux toutes catégories confondues, feux en milieu urbain et également et dans la réponse les feux de brousse. Merci à vous. Monsieur Gordy. Merci. La Fédération nationale des éleveurs du Niger, FENENDA, c'est une organisation d'éleveurs qui présente au niveau nationale, sur l'ensemble du pays. Nous encadrons les éleveurs par rapport à comment aller vers euh, un peu des changements de comportement par rapport à la pratique d'élevage, notamment le, pastoralisme, la transhumance, etc., mais aussi par rapport à la gestion des ressources naturelles, la prévention et gestion des conflits, etc., mais aussi nous faisons les lobbying plaidoyers par rapport aux lois, textes, etc., mm-hmm. aux politiques euh, nationales. Donc, quant à la plateforme paysanne du Niger, c'est une organisation, c'est un réseau qui regroupe 11 fêtières euh, qui sont des organisations paysannes euh, qui interviennent dans le domaine de l'agriculture, l'élevage, euh, la pêche, etc. etc. Mhm. Donc c'est presque tous les domaines hein, ruraux que nous intervenons au niveau de la plateforme paysanne. Merci à vous et comme je le disais plus haut, nous allons parler ce soir de feux de brousse et incendie. Colonel Doutia, qu'est-ce qu'on entend par feu de brousse feu de brousse, c'est tout ce qui est attrait, donc euh, les feux qui, par leur euh, nature, sont allumés dans les forêts. Donc nous, si, nous, si nous on dit forêt, ce n'est pas euh, seulement un attroupement d'arbres. Donc tout ce que vous prenez dans la, limite, donc, de la partie agricole du sud du Niger jusqu'à au confins du Niger, là où il y a un semblant d'herbe et d'arbres constituent forêt. Et à l'intérieur de ceci, vous avez des enclaves où l'homme est intervenu pour faire ses cultures et autres. Donc à ce niveau, nous intervenons aussi par rapport à feu parce que la loi 2004 interdit les cultures sur brûlis. Donc, ça, veut dire que ceux qui eh, ont des champs de culture, avec les branchages, ils mettent du feu. Donc la culture sur brûlis est interdite. Ça, c'est pour préserver contre les feux qui vont, se, propager à l'intérieur des forêts. Voilà, en fait, ce, nous, ce que nous appelons feux de brousse. Et, ces, feux-là, est-ce que leurs origines sont connues les, feux, de brousse. les, origines des feux de brousse sont connues. Avant, euh, lorsque y a du jahiliya, hein, on dit qu'il y a des serpents ou des génies. La nuit, ils font du feu. Ça, mm. c'est des histoires parce que personne en tout cas, à la mémoire d'homme, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui a dit qu'il a vu un jour euh, un génie lorsqu'il a fait feuiller la, bourse. Donc ça, c'est des histoires. Les origines des feux de bourse, c'est l'homme. C'est l'homme, le plus souvent par inattention. Voilà, en fait, euh, les origines des feux de bourse. Par inattention, c'est-à-dire... Euh, après utilisation d'une cigarette ou bien je sais pas. Oui. Et je vais vous donner les statistiques que nous avons de 2002 oui, les statistiques, nous allons venir à la question. D'accord, donc c'est que nous avons trouvé que c'est des femmes et des enfants. Bon, par inattention, c'est pas... Mais mm. ces gens, ces, ces, ces, franges-là, elles ne savent même pas que le feu là va se propager. Donc, ils font leur... Euh, si c'est le thé ou si c'est les, les petites cuisines des enfants, pour eux, ils ne se mettent même pas en tête que... Ça va. donc ce n'est pas euh, exprès que ces feux-là. Est-ce que vous avez un exemple précis d'origine d'un feu de brousse un exemple précis Bon, moi, je centralise tout ce qui est feu de brousse à l'intérieur du Niger. Nous avons euh, des exemples précis. Même cette année, nous avons un feu qui a poussé, propagé sur 1000, euh, à peu près 1200 ou 1400 hectares dans la zone de Tesker. Et ça, c'est un enfant. ça fait partie d'un enfant. Donc euh, ça, c'est le plus souvent ce que nous avons. Et donc comment euh, ces feux de brousse, comment ils se propagent Ça, c'est avec l'herbe sèche, surtout avec l'herbe maintenant qui souffle. Et le plus souvent, c'est de fin septembre à décembre. Et en ce temps, l'herbe n'est pas totalement euh, détruite par les animaux, les piétinements et autres. Et en ce temps, cette herbe-là est réellement haute. Au moindre étincelle, c'est facile. Ça, c'est avec le vent et la chaleur. Parce que pour combattre le feu, comme mon collègue de sapeur-pompier là, combattre le feu, vous le voyez même à la télé, dans les pays euh, les plus développés, même avec hélicoptère, pendant les saisons chaudes, les périodes chaudes, ce n'est pas aussi simple. Oui, parlons donc euh, des incendies, ces deux phénomènes, des phénomènes qui se produisent en ville. Quelle est, euh, est-ce qu'il y a une différence entre incendie et feu de brousse Quelle est la différence Bon, l'un entraîne l'autre, le plus souvent. Le plus souvent, ce que je vous dis là, c'est dans des campements que ça commence. Donc, ça veut dire que là où il y a une habitation, et ça se prépare sur la brousse. Et il peut avoir aussi de la brousse, ça se prépare dans des habitations. Donc, l'un peut entraîner l'autre. Merci à vous. Je reviens vers vous, le tonnerre Nejim. Euh, vous portez secours euh, en cas d'incendie. Alors, euh, les incendies en ville sont-elles considérées comme petites catastrophes ou grandes catastrophes Donc, les feux, pour commencer, c'est l'une de nos interventions courantes. Alors, quand je dis intervention, c'est en fait ce qu'on a l'habitude de faire chaque jour. Mm-hmm. Maintenant, sa grandeur en fait dépend de l'étendue des dégâts occasionnés. Donc, euh, nous assistons souvent à un feu qui part de rien et, qui devient quasiment incontrôlable. Donc, euh, je pense que la notion de grande ou petite catastrophe, elle est relative à ce niveau. Mais euh, nous, sapeurs-pompiers, nous combattons surtout les feux en milieu euh, urbain. En tout cas, c'est l'une des catastrophes vraiment euh, courantes euh, d'un et ça constitue notre casse-pied, surtout en cette période d'armata. Oui, justement, à l'heure actuelle, quelle est la situation des incendies dans la ville Comment c'est que c'est pendant l'armatan, c'est en cette période d'armatan que le phénomène se produit. Quelle est la situation actuelle est-ce que vous avez déjà commencé à enregistrer des cas d'incendie ici Oui, bien sûr, les cas d'incendie, on enregistre chaque jour. Seulement, euh, dans cette période, euh, nous enregistrons plus ou moins un pic. Mhm. un pic, euh, c'est-à-dire C'est-à-dire le, le, nombre d'incendies est, est très élevé en cette période d'armatan. Par exemple, euh, je ne sais pas, je vais sauter un peu du coq à l'âne pour donner les, statistiques. Donc, par euh, mois, nous enregistrons environ une centaine euh, d'incendies sur lesquels nous avons eu à intervenir. Bien entendu, il y a des incendies qui arrivent à être maîtrisés par la population locale et dont nous n'intervenons pas. Et si je prends par exemple en 2015, au courant de l'année, nous avons enregistré jusqu'à 772 cas d'incendie. En 2016, ça a grimpé à 869. Et là, en 2017, jusqu'à ce jour, nous sommes à 777 euh, euh, feux. Et selon vous, qu'est-ce qui expliquerait cette situation Vous savez, le feu, en un temps record, il prend souvent une euh, extension phénoménale. Et je pense que c'est surtout dû à la négligence, à l'imprudence. Et les faits d'origine criminelle, on enregistre euh, très rarement, euh, voire euh, en tout cas, nous, quand même, on n'a on pas eu jusque-là à intervenir sur un feu d'origine criminelle. Il y a mm. aussi les feux d'origine électrique et accidentelle qu'on enregistre. Oui, quels sont les, exemples de feux électriques Bon, électrique, euh, ça part en général d'un court-circuit. Et puis, euh, il y a des matières combustibles à côté. le, le feu, il prend une une extension et se propage. Monsieur Gordy, de la plateforme paysanne, quelle est votre analyse euh, sur la question de ces feux de brousse Merci. Et en tout cas, nous, euh, on arrête en tout cas chaque année, on fait la, situation de où ça se passe, en tout cas à travers nos représentations au niveau des régions, des départements et des communes on euh, dit voilà un peu, on fait un peu la situation de où il y a eu fait de brousse pour que à travers nos interventions nous puissions apporter puisque après puisque c'est la biomasse qui est mhm. concernée, c'est toute la strasse ligneuse. Donc l'endroit là, euh, ça devient euh, désertique. Vous avez, vu l'exemple qu'il a donné, 1000 eh, eh, hectares, ce n'est pas petit. moi, Tesker, c'est chez moi, je connais ça. Donc, vous voyez, il n'y a pas de pâturage. Qu'est-ce qu'il faut faire Parce que c'est des gens qui vivent là. Hein? Euh, c'est des nomades qui vivent sur cette terre là là où il y a cet incendie-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que euh, ces populations-là puissent euh, rester vivre avec leur cheptels, etc. Donc nous, c'est, on fait les statistiques pour savoir où il y a effet de brousse, qu'est-ce que nous, on peut avec nos partenaires, qu'est-ce qu'on peut apporter pour permettre aux populations et aux cheptels qui, qui vivent autour. Qui vivent autour. et, donc, euh, ces feux de brousse, en quoi ils constituent une menace pour les éleveurs <laughs> C'est une, une, grande menace. Parce que d'abord, c'est, comme, comme je l'ai dit, la biomasse l'herbe que les animaux utilisent, consomment. Il y a les animaux même peuvent, ça peut surprendre des animaux qui sont, oui, en repos ou ceci c'est la nuit, etc. Ça peut amener mort, mort, mort, d'animaux ou en respirant le la fumée, etc. Euh, certains petits ruminants surtout ou, des, les, les agneaux, ça, ça peut causer la mort. Mais aussi ça amène en termes de, production animale, euh, le lait par exemple, s'il n'y a pas d'herbe, il n'y aura pas de production laitière pour, pour, les animaux. ça, ça cause aussi des déplacements, des migrations des populations parce que là où il n'y a pas l'herbe, un éleveur, il est obligé de se déplacer. C'est quelque chose qu'il n'a pas prévu. Peut-être, par exemple, là où il a parlé de Tesker, nous sommes des populations un peu euh, nomades qui se déplacent, qui font un petit, une petite transhumance juste autour de leur puits. Mais quand il y a un grand feu comme ça, tu es obligé de migrer un peu plus loin. Là où quelque chose que tu n'as pas prévu. Vous voyez, ça fait euh, un peu. Mm-hmm. Euh, en tout cas, c'est des conséquences socio-économiques énormes que ça apporte aux, Merci à vous, colonel Dukia. Ces feux de brousse, vous dites, ils se multiplient pendant quelle période le feu de brousse mm. de fin septembre à décembre, les plus grands feux enregistrés au Niger, c'est dans au niveau pendant ces trois mois-là, fin septembre jusqu'à la deuxième décade de décembre. Mm. Et comme je l'ai dit, en ce moment, vous avez l'herbe qui n'a pas été tellement secouée ou appétée par les animaux. Oui, et quelle est la situation actuelle euh, des feux de brousse pour cette année Combien de cas de feux de brousse euh, les services de l'environnement ont enregistré Bon, jusqu'à l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire parce que chaque jour nous enregistrons et euh, pour faire la sommation au jour le jour, on ne le fait pas. Mais on le fait souvent par trimestre. Mais à l'heure actuelle, je peux vous dire la superficie détruite par les feux pour cette campagne, c'est environ 4500 ou 4800 hectares. Mais le plus, euh, le département qui a enregistré la plus grande consommation de feu, c'est le département de Tesker avec 2500 et quelques. Le département de Tesker, c'est dans quelle région C'est la région, de Zender, euh, au nord-est. Et qu'est-ce qui explique euh, cette situation Bon, ce qui explique la situation, d'abord, c'est un département où vous avez beaucoup d'herbes et où la, eh, population, l'emplacement des populations est un peu moindre. Ça veut dire que dès que vous avez un feu, parce que nous avons les deux luttes de feu, nous avons les, bandes par feu et la lutte active. Mm-hmm. Si vous avez peu de population pour intervenir, ça vous avez la malchance d'avoir une grande superficie en aérienne qui va se ah, ben consumer. Et le département de Tesker est parmi ces zones-là. Vous avez d'occupation humaine très faible. Avec Une, grande superficie, pas de pâturage extrêmement important. Oui, est-ce qu'il y a des mesures euh, spécifiques euh, qui sont prises précisément pour cette région, puisqu'elle est la région la plus touchée, vous dites, euh, chaque année D'abord, la première mesure, nous, c'est la, la sensibilisation. Le feu, quel qu'il soit, la lutte contre un feu n'est pas gagnée d'avance. Donc, c'est sensibiliser les gens à prêter attention. La deuxième, actuellement nous sommes là-dessus, parce que pour un téléphone de bourse, la sensibilisation, c'est à tout moment. Mais l'ouverture des bandes par feu, pour amoindrir la, propagation du feu, c'est ça que nous faisons actuellement. Et donc, euh, les statistiques euh, enregistrées, vous dites, vous êtes toujours là-dessus, mais comparativement aux années précédentes, comment sont les statistiques bon, elles sont quand même encourageantes. Encourageantes. Oui, parce que euh, l'année passée, à pareil moment, nous avons plus de 10 000 hectares déjà brûlés. Mais cette année, c'est... Cette année, on a moins de 5 000, oui. Et donc, euh, c'est dû aux efforts... Euh, c'est dû à l'intervention des autorités et des associations des ONG. Mhm. Parce que tout le monde est, impliqué dans la sensibilisation, parce que c'est ça le plus important. Oui, Le tenant Nejim, euh, comment vous intervenez en cas d'incendie Vous venez de le dire, vous intervenez euh, en, milieu urbain. Alors comment vous intervenez en cas d'incendie euh, L'incendie, par définition, c'est tout feu qui échappe au contrôle. humain. Donc nous, dès que nous sommes sollicités, on part automatiquement. et voilà, on essaie d'éteindre les feux et en majorité, euh, on arrive à éteindre les feux et certaines fois, euh, euh, on vient trouver déjà le feu qui s'est éteint par manque de combustible. Et vous savez, le feu, dans la première minute, peut-être, un extincteur peut l'éteindre. Mm-hmm. Dans la troisième minute, il faut plusieurs seaux d'eau, mais au-delà de cinq minutes, je pense ça prend une proportion euh, inimaginable. Et en général, les jeunes nous appellent que quand ça leur échappe. du coup, cinq minutes de trajet, euh, vous voyez ce qu'on peut trouver sur le terrain. De dégâts. Ah oui, il y a on, en majorité, c'est des dégâts humains et matériels. Euh, vous savez, nous faisons effort sur la prévention, surtout en cette période parce que les gens, ils utilisent le bois pour la cuisine et d'autres utilisent le feu pour se réchauffer du fait de la fraîcheur. Et donc, euh, euh, la prévention, elle doit être démise. je pense qu'il euh, faut être très regardant, il faut surveiller. Quand on a un foyer, il faut le surveiller mm-hmm. et il faut également éviter la mauvaise manipulation et garder toute source quand même de feu hors de la portée euh, des enfants. Mhm. Euh, je pense que c'est la meilleure solution pour éviter tout dégât. Colonel Dukia, on le sait, les impacts des feux de brousse euh, sur notre environnement sont, sont négatifs, voire extrêmement dangereux. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-uns des impacts de ces feux de brousse sur l'environnement Bon, avant de vous donner quelque chose, parce que le feux de brousse, mon frère de l'association a parlé effectivement que ça, peut entraîner la mort des animaux, même des humains. On a eu ce cas cette année, mais c'est dans la zone rouge. Ça, je ne vous ai pas dit. C'est la zone rouge entre Tilia, Abala et le Mali. Il y a un feu qui. Qu'est-ce qu'on entend par zone rouge Bon, présentement, il y a l'état d'urgence dans cette zone-là, avec la menace sécuritaire. Donc cette zone-là est déclarée zone rouge mhm, parce qu'elle est extrêmement euh, chose, source d'insécurité. Donc cette zone-là, combattre le feu de manière classique n'est pas possible parce que nous avons des échos comme quoi ceux qui ont mis ce feu, c'est les terroristes pour attirer donc euh, effectivement euh, l'arrivée de ce qu'ils cherchent. Donc cette zone-là, ce feu-là, on l'a même pas essayer de, de savoir combien d'hectares ça fait parce que cette zone-là est un peu d'accès vraiment euh, aléatoire. Donc, nous avons appris qu'il y a eu sept morts. Sept morts Oui, morts humaines. Et ça, le nombre d'animaux, ça, on nous a dit il y a plusieurs euh, dizaines. Donc, c'est pour vous dire, ça, c'est le premier impact que nous regrettons, tout le monde ne souhaite pas. Maintenant, l'autre impact qui est général, comme l'a dit l'éleveur, l'herbe là, ils peuvent solliciter toutes sortes d'aides en aliments bétail classique, le sang et autres. Mais la première source d'alimentation du bétail, c'est l'herbe. Ça, c'est la première. Toutes les sécheresses qui ont entraîné la mort de beaucoup de bétail partout, vous avez des animaux rachitiques, euh, maigreleux qui sont morts, c'est par manque d'herbe. Le reste là, on peut nous secourir de ça, du son, des choses. Mais l'herbe, on ne peut pas remplir, nous remplir des bateaux ou des mhm. télèmes pour amener l'herbe ici. Ça, c'est le premier problème si le feu se déclare. Vous avez des feux qui peuvent. En 2010, j'étais régional à Maradi. Il y a un feu qui s'est déclaré de la zone Tanout, entre l'intersection entre Tanout et Tesker et qui est abouti jusqu'à Balak de Tawa. Il a ravagé beaucoup oui. Et ça, des feux comme ça, vous avez un grand pourcentage, comme il l'a dit, des lignes qui eux aussi servent de, de pâturage aux animaux, qui, un grand pourcentage qui vont disparaître par le réchauffement du feu. Les dégâts sont donc euh, énormes. Énormes. Sur l'environnement, ça, vraiment, c'est incalculable. Alors, Monsieur Gordy, euh, comme vous l'avez dit plus haut, les menaces, les dégâts sont nombreux. Qu'est-ce que vous faites euh, donc dans des situations de feu de brousse Bon, avant les feux, on, en amont, il, faut d'abord partir en amont pour venir à qu'est-ce qu'on fait quand il y a fait de bourse. Comme le colonel l'a dit, il faut d'abord sensibiliser les gens. Et ça, c'est quotidien. C'est des choses qu'on fait quotidiennement à travers euh, les rencontres que nous organisons, soit des forats, soit des, formations que nous faisons aux leaders des, éleveurs, parce que c'est généralement eux, hein, de, manière générale. Ce sont donc des actions de prévention. Oui, ça, c'est des actions de prévention que nous mhm. faisons pour que les gens essayent euh, de minimiser les euh, dégâts. Euh, oui, les, dégâts, pour qu'on minimise les dégâts. Donc après l'effet de c'est c'est de voir comment intervenir pour euh, aider ces populations-là à, à, se stabiliser. C'est ça que nous faisons à travers euh, notamment des appuis en aliments bétail, mais aussi en nourriture, parce que euh, pour les éleveurs, euh, c'est vrai, ça ne compense pas, hein, ça, ça, ne compense pas l'herbe, comme, comme le colonel l'a dit, mm-hmm. parce que l'herbe, c'est ça la base de l'alimentation d'un animal. Mm. Quand il n'y a pas ça, c'est, bon, comme on dit, c'est euh, bon, il faut, il faut seulement faire, hein, euh, mais ça, ça, ne compense pas. Mais aussi, il faut voir d'autres zones. On, les aide aussi à voir, dans le cadre des migrations ou des de ce qu'ils vont faire, où sont les zones qui sont pourvues en pâturage pour orienter les éleveurs. Donc, tout ce, travail-là, c'est ce qu'on fait. Des aspects en, amont que, oui, oui, que, nous faisons après les, les, de course pour aider les éleveurs à, à se déplacer. Pour savoir que ici, bon, il y a l'herbe, il y a de l'eau, donc ils peuvent aller dans, dans cet endroit-là. Voilà un peu ce que nous. Est-ce que à la date euh, d'aujourd'hui, euh, vos éleveurs, vous avez déjà commencé à enregistrer des dégâts occasionnés par euh, les feux de brousse Oui, comme il l'a dit, eux ils font leur, mais nous aussi, parallèlement, on a nos, oui. les, informations. Donc, par rapport à là où il y a eu les, les, les feux de brousse, on est en train de voir quels sont les, quelle intervention nous on peut faire puisque ça, a déjà eu lieu. Comment aider ces éleveurs-là à, se déplacer pour avoir de l'air pour leurs animaux, etc. Donc on est dans ce euh, stade là actuellement. Mm. On, est, en train de, mm. le faire. Colonel Dukia, euh, ces feux de brousse, euh, comment le ministère de l'Environnement s'y prend pour éviter cela Bon, nous avons trois volets. La sensibilisation, c'est tout le monde. Nous incitons, nous sommes en partenariat avec les associations, surtout d'éleveurs. Ça, c'est un truc que nous menons avec eux, la sensibilisation et les autorités locales, coutumières, administratives. Mm-hmm. Ça, c'est quotidien. Nous avons la lutte préventive euh, avec euh, les bandes par feu. Nous avons la lutte active et nous avons la répression. Donc nous avons euh, les textes de loi et des décrets qui nous donnent la latitude de sanctionner, de mm. réprimer tout auteur de cas de feu de brousse. Et, voilà les domaines d'intervention en tout cas du ministère de... Concernant cette lutte contre les feux de brousse, euh, dans une publication du 4 octobre, l'agence nigérienne de la presse avait annoncé que le ministère de l'Environnement, euh, du Développement durable a, donné le coup d'envoi de la région de Zender cette euh, campagne de lutte contre euh, les feux de brousse édition 2007. En quoi elle consiste exactement cette campagne de lutte contre le feu de brousse En fait, ça c'est la campagne d'ouverture des bandes parfaites. Et chaque année, euh, depuis euh, le Conseil des ministres du 1er novembre 2014, non 2013, autant pour moi, et c'est depuis cette date que euh, le gouvernement a diligenté donc l'ouverture, le lancement officiel de la campagne d'ouverture de bande par feu en septembre. Donc, il ne faut pas que ça dépasse le mois de septembre. Donc, c'est ce qu'il y a eu lieu le 30 septembre dernier à Gouré, donc dans la commune urbaine de Gouré. Et à travers euh, cette euh, campagne d'ouverture de bandes Par feu l'État a injecté à l'heure actuelle 600 millions euh, pour l'ouverture de bandes de feu Ça, c'est le fonds propre de l'État. Il y a les partenaires, les ONG, les projets qui, leur contribution encore plus importante. Vous avez de, de 1 milliard à 2 milliards par an. Donc voilà euh, le domaine d'intervention classique, annuel, donc chaque année. Évidemment, ce lancement, c'est euh, protocolaire, ça c'est sûr. Bien avant ce lancement, il y a déjà d'autres activités. D'autres qui ont commencé l'ouverture de ces bandes par mm-hmm, mm-hmm. oui, et les bandes par les bandes autant pour moi, de quoi même il s'agit exactement, les bandes par La bande euh, par c'est une bande qu'on nettoie de largeur d'environ de 15 mètres à 25 mètres, rarement 30 mètres. On la débarrasse, cette bande-là, cette largeur-là, de toute herbe. Elle est nettoyée sur une longueur variable. Donc la longueur peut atteindre jusqu'à 60-70 km. Et perpendiculairement à la direction du vent. Donc ça, si le vent va à l'ouest, donc les bandes-là regardent le sud au nord, perpendiculaire à la direction du vent et elles sont espacées, ces bandes-là, de 100 mètres, ça dépend de l'espace ou des moyens financiers, à 300 mètres souvent. Donc voilà, donc c'est l'intervalle de, cette entre deux bandes. Le feu peut consumer donc l'intervalle là. Donc si on comprend, ces bandes par feu permettent euh, de maîtriser ou bien de, minimiser de les minimiser la propagation du feu. La propagation. Lieutenant euh, Najim, comment la population doit s'y prendre euh, lorsqu'un incendie se déclare à, proximité euh, La première des choses, je crois, est ils doivent nous prévenir à temps. Parce qu'en général, les gens, ils essaient d'éteindre le feu eux-mêmes et c'est quand ils n'y arrivent pas qu'ils nous appellent. Donc avant d'entreprendre toute action, euh, ils doivent d'abord euh, faire appel à nous avant d'entreprendre toute action. Mhm. Et également, euh, je le disais tout à l'heure, il faut être vraiment regardant, surveiller la marmite qui est au feu mhm. et éviter la mauvaise manipulation. Donc, et aussi respecter certaines mesures de sécurité, surtout dans les établissements recevant du public. Mhm utiliser pourquoi pas des couvertures au lieu d'allumer un feu à l'intérieur d'une case ou d'une chambre pour se réchauffer. Et également, je le disais, eh, il faut garder les enfants hors de portée de toutes sources de chaleur. Mm. Et vraiment, euh, euh, comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir. Alors, Monsieur Gordy, dans de tels cas, quelle doit être la responsabilité de chacun la responsabilité de chacun, c'est, d'abord de, de faire tout pour éviter, c'est de prévenir, c'est de faire attention parce que, comme je le dis, c'est nous qui causons les feux de brousse. C'est nous, hein, c'est, pas, quelqu'un d'autre. Comme le collègue l'a dit, il n'y <laughs> a pas, un génie qui cause feu, c'est, l'être humain qui cause le feu. Donc, mm-hmm. c'est notre responsabilité parce que, eh, partout où ces feux se passent là, la plupart, c'est en zone pastorale. Et c'est nous, c'est les éleveurs qui le causent, comme il l'a dit, les femmes, les enfants, mais aussi les fumeurs. Il ne faut pas oublier hein, les fumeurs qui le causent. Donc, il faut faire attention, il faut se rassurer que le feu que j'ai allumé, que je me rassure que c'est éteint. C'est ça. Parce que quand il y a du vent, tu peux éteindre en laissant une petite braise là, avec le vent, ça peut, avec l'herbe, etc. Facilement. Oui, facilement, ça, ça, ça, prend, et ça prend facilement parce que c'est des, des, zones où il y a vraiment de l'herbe et le vent, euh, il n'y a aucune protection pour éviter le vent. Donc le vent, quand il vient, c'est fort et mhm. ça fait que le, le se, se, propage rapidement. Donc, mhm. notre responsabilité, c'est de faire tout, c'est de sensibiliser, de faire tout pour éviter, pour prévenir l'effet de pousse, mhm. pour minimiser et en cas de feu, c'est aussi d'intervenir ou d'informer euh, à temps les, autorités, les services compétents par rapport à cette question-là pour qu'on mobilise les moyens pour venir euh, minimiser les dégâts. parce que, oui, c'est ça. Ok, colonel Doukial, euh, dans certains cas, les auteurs des feux de brousse, ont on met la main sur eux. Est-ce qu'il existe des sanctions pour ces, pour ces auteurs de feux de brousse Il y en a. Il y a des sanctions. Mais les sanctions si je prononce ces sanctions-là, mon, frère de l'éleveur va dire que c'est vraiment minime. Parce que euh, c'est la loi 2004-040 qui sanctionne mm-hmm. les cas de feu, tandis que la loi 98-56, euh, relative à la loi cadre, elle, elle sanctionne les feux de brousse dans les forêts classées ou les réserves. Et elle, est est plus dure parce que là, ça peut aller jusqu'à 5 euh, millions de francs CFA alors que euh, l'article 82 de cette loi dit que tout celui qui donc occasionne un, de bourse de manière euh, par imprudence, donc euh, c'est pas exprès. Bon, intentionnellement. L'article 82, c'est intentionnellement. Il est en cours de, de 100 000 à 500 000. 500 000 de 50 000 à 500 000 francs. Ça veut dire que et là, on n'a pas dit la superficie. C'est là où le problème se pose. Ça peut brûler 50 euh, 000 hectares. Tout ce que nous, nous pouvons lui faire, l'amende, la, ne peut pas dépasser 500 000. Vous voyez la, portée. Et il a de 6 euh, mois à 2 ans de prison. D'emprisonnement. Voilà. Est-ce que... Euh, Maintenant, si ce n'est pas exprès, là, c'est de 30 000 à 300 000 et de 2 mois à 1 an de prison. Est-ce que euh, ces sanctions-là sont déjà mises en vigueur Est-ce que vous avez eu euh, déjà à sanctionner des gens pour cela eh, Madame, si nous ne sanctionnons pas, euh, même eux, les éleveurs vont nous interpeller. Parce que eux, ils sont toujours derrière nous pour savoir celui qui a posé tel feu, qu'est-ce qu'on lui a fait donc ça, la sanction, elle ça automatiquement, nous, nous, sanctionnons tous ceux qui font les feux de brousse, ça c'est sûr. Alors nous sommes euh, presque à la fin de ce forum. Euh, le tenant euh, Nejim, le tenant quel conseil de nouveau vous donnez à la population pour éviter ces incendies en milieu urbain Je le répète, je le redis, c'est toujours la prévention et il faut nous prévenir Attends, je le disais tantôt, mhm. et surtout euh, d'être regardant. Parce qu'il ne sert à rien de courir après un feu, il ne sert à rien d'évaluer des dégâts par la suite et chercher euh, qui est-ce qui l'a causé, mhm. d'autant plus que nous n'avons pas compétence d'expertise mhm. quant, quant à l'origine des feux. Donc nous, nous portons secours, nous éteignons les feux. Mhm. Et donc pour éviter tout cela, pour mobiliser le moins de moyens possible, euh, euh, je pense qu'on on, doit passer par la sensibilisation. Et même euh, au sein de la famille, je pense que chaque individu devrait être sensibilisé quant à l'utilisation des feux, l'utilisation courante des feux mm-hmm. et éviter à tout prix que ça échappe parce que c'est ça le problème. D'accord, merci. Monsieur Gordy, quel appel, euh, quel conseil aux populations, aux éleveurs pour éviter les dégâts causés par les incendies, des feux de brousse, tout ça le, le conseil, c'est d'être prudent. La prudence, c'est de faire tout pour que ça ne, c'est de faire tout pour éviter que ça, ça se déclenche. ça, se déclenche. ça, se déclenche. Parce mhm. qu'il faut qu'on s'assure qu'on a éteint le feu. Il faut, que, il faut conseiller les enfants, les femmes, parce que c'est elles surtout qui utilisent le feu euh, pour, pour, pour etc. Lui, le mari. Donc, il faut les sensibiliser pour qu'elles s'assurent qu'à la fin de la cuisson, que le feu est éteint. Euh, vraiment, c'est ça. Il faut prévenir parce que mhm. Après, les conséquences, ça, c'est. Mais aussi, hum, les, services techniques, pour moi, euh, doivent continuer les efforts. Hein. On doit continuer les efforts pour, euh, ensemble, comme, comme on le fait, pour, que, pour minimiser chaque année. Puisque, vous voyez, il a dit l'année passée, on est déjà à 10 000, mais cette fois-ci, on est à moins de 5 000. Ça veut dire que les efforts ont commencé à porter déjà les fruits. Donc, pour moi, on doit continuer, on ne doit pas se fatiguer, on ne doit pas dire que c'est déjà euh, bien fait. Euh, on doit continuer à sensibiliser les, gens pour minimiser au maximum ces feux-là. Euh, vraiment, vraiment, dans, surtout dans la zone pastorale du Niger, puisque le Niger, toute cette bande, la parlé, c'est la zone pastorale du Niger. Mm. Et c'est là où se dégradent tous ces feux-là. Donc on doit continuer ces efforts pour vraiment sensibiliser les gens, pour minimiser au maximum les Merci à vous, colonel Dukia, votre mot de fin. Oui, d'abord, euh, je dois d'abord euh, remercier et féliciter l'État et les partenaires. Parce que d'abord, avec l'État, comme il a dit, les services techniques, c'est à travers l'État. L'État, d'abord, a un, une volonté politique forte. Parce que dans le programme de Renaissance, acte 2, c'est prévu l'ouverture de bandes parfaites de 40 000 km ce qui correspond sensiblement à 21 milliards de francs CFA. Donc il y a une volonté politique qui est là. Il y a une volonté manifeste euh, de, tous les autres acteurs, parce qu'ils euh, voient de notre survie. Et à ce niveau, vraiment, tout le monde est impliqué euh, sérieusement dans cette lutte contre l'effet de brousse. Comme il l'a dit, la sensibilisation a commencé à porter. Parce qu'en 2014-2015, nous avons enregistré environ 93 000 hectares de brûlés. En 2015-2016, nous avons enregistré à peu près 53 euh, 000 hectares de brûlés. Vous voyez, ça descend. Et l'année passée à aujourd'hui, on n'a pas plus de 45 000 hectares de brûlés. Mm. Donc, ça descend chaque fois. Et, l'État, à travers encore ses actions, on a presque doublé l'effectif des agents forestiers sur le terrain. À l'heure actuelle, nous avons peut-être euh, pas plus de 30 ou 40 communes qui ne sont pas dotées d'agents forestiers sur toutes les communes et arrondissements communaux du Niger. Donc à ce niveau, vraiment, nous avons eh, un chapeau ah à l'endroit de l'État et ses partenaires. Donc l'autre aspect, c'est la conscientisation de chacun. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir souvent des agents, souvent aussi nos agents, certains ne se prêtent pas à cette, euh, à cette opération souvent. Mm-hmm. Et la formation, nous sommes toujours quotidiennement là-dessus pour renforcer les capacités de nos agents. Donc à ce niveau, nous sommes euh, vraiment à pied d'œuvre. Maintenant, l'autre aspect, c'est toujours inciter l'État et les partenaires à redoubler d'efforts. Mhm. Parce que il faut jamais baisser les bras. Parce que moindre négligence, que ce soit des auteurs de feux ou de l'État s'il baisse les bras, on va enregistrer encore l'irréparable. Et c'est ça que nous ne voulons pas. Nous voulons toujours que ce bien commun, parce que l'élevage aujourd'hui, on dit c'est la deuxième mamelle, souvent, elle est souvent la première mamelle même. Mhm. Et dès qu'il n'y a pas l'herbe, elle est totalement désorganisée. Et votre conseil à la population La population, c'est toujours, malheureusement pour nous, mm. là où je vais en venir, c'est que ce que nous faisons ici, ça ne va pas à la cible, aux vrais auteurs des feux, le plus souvent. Ceux qui causent les feux là n'écoutent pas la radio. Mm-hmm. Ils ne regardent pas la télé. Ils ne l'ont même pas. Donc, eux là, les associations là, mm-hmm. ça repose souvent sur eux. Nous, les premiers interlocuteurs que nous avons, c'est les ONG, les associations, les autorités coutumières. Mhm. C'est là-bas notre cible. C'est eux qui portent le message à ce niveau-là. Merci à vous. Alors, euh, chers auditeurs, il faudrait de la prudence pour éviter le déclenchement et la propagation des incendies afin de minimiser, voire éviter ces feux, qu'ils soient de brousse ou en milieu urbain. C'est ici que se referme euh, le forum de ce soir. Nous étions avec le euh, Colonel Dukiakaka, directeur de la protection de la nature et de l'équipement à la Direction générale des eaux et forêts, Monsieur Gordi Mamoudou, secrétaire général de la Fédération des éleveurs du Niger et membre de la cellule technique de la plateforme paysanne. Nous étions également avec le tenant Nejim Chebou, commandant de la 83e compagnie d'incendie et de secours de Lazare. La technique était assurée par euh, Hassan Tawai. À la présentation, c'était le fils Adam Sirfo. Rendez-vous demain à la même heure pour une autre thématique.